Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir. RFM, il est 18h. À une, le marquage à la culotte de la police aux membres du collectif Lank. Ils étaient suivis partout dans les rues de Dakar par les policiers. Deux parmi les membres du collectif, Kilif et Ousmane Wade, le chargé de communication de Frappe France Dégage, ont été interpellés avant d'être libérés. Les policiers les autorisent à distribuer leurs flyers, mais interdisent tout rassemblement. Ils sont restés quatre ans sans percevoir leur salaire. Les travailleurs de la société ABS n'en peuvent plus. Ils ont arboré des brassards rouges ce matin pour interpeller les autorités sur leur sort. Ces travailleurs veulent être redéployés dans les autres structures de l'État. Malausou, un député apériste contre l'exclusion de Mustapha Diakhaté, il remet en cause la crédibilité des membres de la commission de discipline qui ont prononcé la sentence L'homme qui promeut la liberté d'expression déclare que personne ne peut l'empêcher de dire ses vérités, ça lui est égal qu'il soit exclu de la ou pas. Le sport, Youssouf Bodian, Tol, Ce mercredi, une présentation de Lamine notre correspondant à Ziguinchor. Dans le débrief, nous allons évoquer la question des commissions de discipline au sein des formations politiques. À la lumière de l'affaire Mustafa Diakhaté, certains estiment que ces dites commissions excellent dans l'illégalité avec des décisions qui ne sont pas pour la plupart conformes aux statuts et textes euh, du parti concerné. Nous serons avec Ibrahim Bahoum, journaliste formateur. Bonsoir à tous. La technique Amadou Ndiaye d'abord, Amadou Ndiaye plutôt d'abord, se vol à armée au quartier euh, face euh, Kawon, au domicile du nommé Abdul Aziz alias l'Américain. Il a été blessé par les malfaiteurs, tout comme son fils. Aux dernières nouvelles, notre correspondant Kaulak Ibrahim Djamé nous signale que le fils a finalement rendu l'âme à l'hôpital. Lycée de Taïf, plus d'une dizaine d'élèves interpellés par la gendarmerie ce matin. C'est suite à un mouvement d'humeur déclenché par les élèves de terminale pour dénoncer le manque de professeurs. Leurs camarades ont assiégé la brigade de gendarmerie pour exiger la libération euh, des élèves arrêtés. Mohamedou Mustafa Mbake, le proviseur du lycée de Taïf, dit ne trouver aucune raison valable pour ce mouvement mouvement Morel On l'écoute, on l'écoute avec euh, Marie Madjo. Les raisons de cette grève sont le manque d'un prof d'espagnol parce que depuis le début de l'année, le prof est venu tardivement. Après les fêtes, il, n'est pas encore venu. On le voit et on ne le voit pas. Et on devrait composer le, le 29 et les compositions sont raisonnables. Vous voyez parfaitement bien, c'est injuste de composer dans ces conditions. Et le pire des cas, c'est qu'on a arrêté les dirigeants de ce gré. Euh, ils sont dans la brigade. Tant qu'on ne l'a pas, on l'est pas libéré, on ne quittera pas ici. Toutes nos excuses, c'était plutôt la réaction euh, d'un des élèves euh, du lycée de Taïf euh, qui ont manifesté ou qui ont assiégé la brigade pour exiger la libération de leurs camarades arrêtés ce matin. Le marquage à la culotte de la police aux membres du collectif Nyolank, ils étaient suivis partout dans les rues de Dakar par les policiers, deux parmi les membres du collectif Kilife et Ousmane Ouad, le chargé de communication de Frappe France Dégage, ont été interpellés avant d'être libérés. Les policiers les autorisent donc à distribuer leurs flyers, mais interdisent à tout rassemblement. Famadion. Flyers fait peu aux nouvelle stratégie du collectif Nyolank. Mais dès les premières minutes, des arrestations sont notées. Euh, non, depuis quand on demande une autorisation pour distribuer des flyers Non, non, non, je, pas. mais chef, d'accord, d'accord, mais... Des arrestations brèves et faut a rapidement été libéré. Une attitude de la police que Bentaleb apprécie. Il est co-coordinateur de Nyolank. Aujourd'hui, la police a, au lieu de mater des manifestants, a sécurisé les manifestants. Nous nous réjouissons de euh, de, cet acte de la police qui devrait compter. De l'avenue Blaise Diagne au rond-point Sam, les membres du collectif Nyolank ont distribué près de 1000 flyers. Des citoyens ont reçu et promis de faire passer le message. Nous sommes des citoyens. Ils ne peuvent pas rester dans le salon et prendre des décisions qui engagent tout un peuple. On a le droit de dire non. Je viens de payer ma facture, j'ai payé 19 000 francs CFA, là je me suis retrouvé avec une facture de 36 500 francs. Au-delà de la distribution de flyers, le collectif Nyolank compte renouer avec les marches. Une manifestation est en gestation. Femme John Flyers FEP sur tout le territoire national Ziguinchor n'a pas été en reste. Les responsables locaux, à l'image de leurs camarades de Dakar, ont sillonné les artères de la capitale du Sud pour distribuer des Flyers. Nous y reviendrons avec Lamine Bay, il est 18h06. RFM, la radio de toute l'actualité. Les 47 travailleurs de la société ABS qui accompagnent l'aéroport Léopold de Sédar Senghor dans le domaine de la sûreté et de la sécurité réclament leurs 4 ans et de salaire en brassard rouge. Ce matin, ils exigent le redéploiement dans les autres structures de l'État et fichent par la même occasion l'inertie de leurs responsables syndicales. Ils étaient face à la presse ce matin. Compte rendu, Aïssatou Faïboyan. ABS, une société reprise par l'État du Sénégal suite au procès avec l'ancien ministre des Infrastructures Karim Wade dans le cadre de la traque des biens mal acquis. Euh, depuis, 47 travailleurs sont dans l'incertitude. Mohamed Mustafa Didiou est membre du comité de crise du collectif. Au bout de 4 ans de léthargie, qui n'ont jamais été licenciés par l'État du Sénégal, qui sont devenus des employés de l'État sénégal, puissent retrouver leurs droits, puissent entrer dans le droits salaire. Après un soutien financier de la première dame du Sénégal, Mariam Faye, en 2016, ces travailleurs se disent être abandonnés à eux-mêmes. 48 heures après notre expulsion, la première dame, par la voix de Malik euh, Sek, nous a fait parvenir la compassion et l'accompagnement de la première dame pour ce pénible événement qui nous est arrivé. Après l'allocution, la première dame nous a offert un billet de mec plus 200 000 francs parce qu'on était, on était expulsé le jour de la, nuit de, du, du cadre. Quatre ans sans travail ni salaire, les travailleurs de la société ABS en colère dénoncent après plusieurs correspondances restées sans suite, ils interpellent le chef de l'État, Macky Sall. Aïssatou Faye Bouillon, stagiaire à la RFM. Le torchon brûle à l'ASBEF, l'Association sénégalaise pour le bien-être familial. Des volontaires exigent le départ immédiat de la directrice euh, Myriam Makeba Mingou. Ce matin, le siège de l'ASBEF euh, a été donc assiégé par la police et euh, des gros bras recrutés par la direction, interdisant l'accès des locaux aux membres du comité intérimaire de euh, gouvernance de l'ASPEF. Le G7 reprend la lutte débrayage ce matin, grève totale euh, plus marche nationale demain jeudi, une grève pas du goût de l'Union nationale des parents d'élèves et étudiants du Sénégal, l'UNAPES invite le gouvernement à intégrer les revendications du G20 dans les discussions pour apaiser le climat dans les écoles, la structure accuse par ailleurs le ministre de l'Enseignement supérieur d'être à l'origine des mouvements d'humeur dans les universités. Abdou Dioufdiagne. Pour résoudre la crise scolaire, l'Union nationale des parents d'élèves et étudiants du Sénégal prend son bâton de pèlerin. Ses membres qui ont rencontré les syndicalistes du G20 invitent le gouvernement à un dialogue inclusif. Abdoulaye Fane. On a pris contact avec le G20. D'après l'analyse qu'on a eu à faire, que pratiquement les deux plateformes, à savoir celle du G20 et du G7, sont identiques. Nous nous efforcerons véritablement de faire en sorte qu'il une jonction pour que le dialogue social qui est inclusif puisse prendre en compte leurs revendications dans la mesure où c'est des syndicats reconnus. L'État peut ne pas négocier avec eux, mais ce que nous pensons, c'est que l'État les écoute. Ces parents d'élèves se sont aussi prononcés sur la situation qui prévaut dans les universités sénégalaises. Pour Abdoulaye Fane, le ministre de l'Enseignement supérieur doit dire la vérité aux Sénégalais. On l'avait dit au ministre de l'Enseignement supérieur, c'est très facile de faire un communiqué et dire que l'année prochaine, tous les étudiants qui sont dans les instituts privés seront dans les universités public. Nous, nous savions que ce n'était pas possible. Et ça risque même de créer des conflits entre étudiants. Et nous l'invitons véritablement à dire la vérité par rapport à cette situation-là. Et nous l'avions dit, si ces étudiants sortent, nous serons derrière eux. Parce que nous n'accepterons pas que 40 000 étudiants puissent être en dehors du système. L'UNAPES affirme sa volonté d'accueillir en décembre 2020 le congrès consultatif de l'international des parents d'élèves. RFM Rifisque, Abdou Diouf Diagne. Abdou Diouf Diagne, direction Joal, Joal où les femmes transformatrices de produits halieutiques de même que les charretiers qui travaillent avec, euh, à leur côté plutôt ont entamé ce matin un mouvement d'humeur, un arrêt de travail de deux jours à compter de ce mercredi. Les manifestants déplorent entre autres les lourdes amendes que les autorités locales leur infligent. Une correspondance signée Abdourahman Diallo. Des femmes transformatrices de poissons et des charretiers, tous ont gelé leurs activités ce mercredi. Ils dénoncent l'attitude des responsables du quai de pêche, du CLPA et du service de la pêche de Joal. Bakari Tchao porte leur parole. Ce que nous déplorons, les autorités de la série de pêche et le CLPA, ils sont en train d'interpeller les charretiers et laisser à la place les pêcheurs qui attrapent le poisson ici au port. Donc, si nous n'avons pas trouver une solution, nous voulons continuer ça jusqu'au bout. Ils sont doit, nous, réduire la sanction, ils ont en train de mettre en nos dos. Ils se désolent aussi du fait qu'on leur demande parfois une grosse somme d'argent en cas d'interpellation. Cette interdiction-là peut créer des malfaiteurs. Parce que quand il y a les ta famille là-bas pour chercher de quoi marcher, si tu es venu là et les, les autorités étatiques te interpellent, te mettre en sanction de 50 000 à son dos, ça peut créer beaucoup de problèmes. Les responsables du quai de pêche, de Joal, du service de la pêche et du CLPA interpellés parle d'un respect de la loi qui sanctionne la capture, le transport et la transformation des juvéniles. RFM Bor Abdourahman Diallo. Abdourahman Diallo, atteinte des objectifs de développement durable à l'horizon 2030 dans le secteur de l'eau et de l'assainissement, plusieurs défis sont encore à relever par les pays d'Afrique de l'Ouest, l'explosion démographique, le financement, les changements climatiques, entre autres euh, défis, d'autant plus que 60% euh, de la population ouest africaine euh, n'a pas encore accès à, l'eau et à l'assainissement. Un atelier euh, a eu lieu ce matin sur euh, ces questions. Compte rendu Abdoulaye Diop. À 10 ans des atteintes des objectifs de développement durable dans le secteur de l'eau et de l'assainissement, les pays d'Afrique de l'Ouest ont encore plusieurs défis à relever. Sylvain Hucher, directeur exécutif de l'Association africaine de l'eau. La problématique de l'augmentation des populations, il y a la problématique de l'urbanisation galopante qui fait que les villes sont de plus en plus peuplées et les sociétés d'eau ont de plus en plus de mal à satisfaire aux besoins de ces populations qui grandissent. Il y a bien sûr le changement climatique. Il y a aujourd'hui la nécessité avec de donner de l'eau de qualité. On long chemin à faire, d'autant plus que le taux d'accès à l'eau et à l'assainissement est encore moins. Le taux d'accès dans la zone de l'Ouest africaine au niveau de l'eau et de l'assainissement, traitant le problème de l'eau, il est considéré comme, disons, les 60% à 70% des populations en zone subsaharienne ont accès à l'eau potable. Beaucoup moins ont accès à l'assainissement. L'atteinte des ODD dans le secteur eau et assainissement passe par un changement de paradigme sur le financement, selon la Gagnissaro, directeur général de l'ONAS. Nos États n'ont pas les moyens. Les partenaires techniques et financiers classiques n'ont pas les moyens de financer ce gap. C'est pour ça justement qu'il faut une forte implication du secteur privé dans l'exécution des projets, mais également dans le financement, et mettre ça en cohérence pour que l'Association africaine de l'eau puisse définir des lignes d'ensemble pour l'atteinte de ces objectifs de développement durable. Une déclaration finale des dénommée déclaration de Dakar va être proposée avec des solutions concrètes pour atteindre les ODD en 2030. RFM Soir, RFM Soir. Barthélémy Je vous l'annonce, exclusion de Mustapha Diakhaté de l'APR, le député Malausso, responsable apériste, pas d'accord. Il s'interroge encore sur la crédibilité des membres de la commission qui a pris la décision. Malausso, qui soutient la liberté d'expression, déclare que personne ne peut l'empêcher de dire ses vérités, qu'il soit exclu de l'APR ou pas. Ça lui est égal. Compte rendu de sa conférence de presse Ibrahim Diamé. L'exclusion de Mustafa Diakhaté de l'Alliance pour la République sur toutes les lèvres de Soul, le député président du conseil départemental de Nyoro remet en cause la crédibilité de cette commission qui en a statué et des membres qui la composent. Parti, parti

waxal dëgg te yàlla tax man su may wax yàllaa tax maay wax dégg nga suñu parti bi képp ku ne parti la ca suñu borde du parti ndax ku sa soñ parti 2009 ba léegi jëlaluñ la kenn face à la presse Mohamed Sow réaffirme tout de même son engagement aux côtés de Macky Sall mais estime que si Abdou et compagnie ont eu le courage d'exclure Moustapha Diakhaté c'est parce qu'il y a la main du président derrière Ibrahim Thiamé Radio Futur passé présent Moustapha Diakhaté rattrapé par la VAR justice bonne gouvernance proximité avec le chef de l'État les contradictions flagrantes de l'ex-membre de l'Alliance pour la République Mohamed Ali Mouba jette le regard dans le rétroviseur. Janvier 2019, après plus de sept ans de compagnonnage, Mustafa Diakhaté se rend compte que le président Macky Sall est en train de dévier beaucoup de difficultés dans son bilan immatériel. Et pourtant, entre 2012 et 2019, l'homme a été l'un des plus solides bras armés du pouvoir, au point de défendre et de justifier l'emprisonnement de Khalifa Sall. C'était le 14 juin 2017. Maire de Dakar, élu deux fois. En tant que maire de Dakar, a posé sa signature sur du fond, c'est proprement scandaleux. Ce scandale-là est le plus grand. En tant que président du groupe parlementaire, il avait défendu en décembre 2012, Bexé et Angle l'a crié. Sur l'électricité, il dénonce aujourd'hui l'augmentation des prix. Et pourtant, le 5 juillet, 2019 sur un plateau de télé Mustapha Diakhaté défendait le contraire, la stabilité des prix sous le président Macky Sall. Parce 2012, Entre 2012 et 2019, il faut reconnaître que les prix n'ont pas augmenté. L'essence, les denrées de première nécessité, entre autres. Macky Sall les a même bloqués. S'il y a une légère hausse aujourd'hui, je peux l'accepter. Relation Macky Sall, Mustapha Diakhaté, Macky Sall, le diable. Ah, quand un parti arrive à devenir un parti et pourtant en avril 2019 au lendemain de la présidentielle Diakhaté disait autre chose il m'a toujours associé à tout j'ai même déjeuné quelquefois avec lui et son épouse qui m'a tout donné aujourd'hui c'est moi qui lui dois tout et il peut compter sur moi jusqu'en 2024. Bonsoir Youssouf Boudian. Bonsoir Barthélémy. Le CIO annule un tournoi de boxe qualificatif au JO Tokyo 2020. Il devait se tenir du 3 au 14 février en Chine. La Chine touchée par l'épidémie du coronavirus euh, le tournoi de WAM, euh, l'un donc des cinq tournois continentaux qualificatifs pour les JO 2020. Et concernant les zones Asie et Océanie, le CIO n'a pas précisé si le tournoi pourrait être délocalisé dans un autre pays. Au dernier bilan, le coronavirus a tué 17 personnes et infecté au moins 440 autres en Chine. Euh, donc euh, là, c'est euh, la raison évoquée donc, par le, le CIO. On rappelle que Dakar mhm. va également abriter un tel tournoi pour la zone Afrique, tournoi de boxe qualificatif pour les JO Tokyo 2020. Le Sénégal veut jouer une deuxième Coupe du Monde d'affilée. C'est en tout cas l'objectif fixé par la Fédération sénégalaise de football qui mise sur une bonne organisation. Cela permettra de mettre les Lions dans de bonnes conditions de performance Propos du président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor, interrogé par Cheikh Djad. Nous ne devons pas faire la fine bouche. Euh, d'autres euh, équipes du groupe euh, du chapeau 1 sont tombées sur des adversaires plus coriaces. Aujourd'hui, notre statut nous permet de nous considérer comme favoris, mais nous devons garder la lucidité, l'humilité et le respect dû aux adversaires pour pouvoir matérialiser cette supériorité théorique sur nos adversaires. Ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est qu'on a des objectifs clairs, c'est retourner encore en Coupe d'Afrique après euh, l'édition de 2018 et pourquoi pas pérenniser notre participation. Et ça, ça passe par euh, des résultats euh, qui nous permettent d'aller jouer les finales de playoffs dans un an. Nous allons y travailler sans rien négliger, une bonne préparation de tous les matchs, euh, la remise en place du dispositif qui est devenu un dispositif classique pour nous autres fédérations et du Sénégal, c'est-à-dire anticipation, bien préparation de l'équipe, euh, maîtrise euh, des aspects logistiques et de transport et surtout nous battre pour que nous, que nos stades pour pouvoir aussi être toujours impérial à domicile. Donc c'est autant de facteurs qui nous permettront, je pense, avec un bon démarrage des matchs de groupe, euh, de pouvoir euh, prendre la première place, qui est la seule qui vaille pour pouvoir jouer les playoffs. Et en tout cas, nous sommes confiants, nous avons les moyens de nous qualifier et nous donnerons ces moyens-là sans autant faire trop euh, dans le complexe de supériorité. Maître Oussein Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football, parmi les prétendants, euh, cette équipe nationale du Sénégal, Moussa Kone, qui a rejoint Nîmes Olympique en Ligue 1 française. Ils sont actuellement avant-dernier au classement. Le joueur de 23 ans a signé un contrat de 3 ans en provenance de la D2 allemande. Il a joué donc une Cannes et une Coupe du Monde U20 avec le Sénégal. Moussa Kone, donc ancien joueur de Dakar Sacré-Cœur. Suite de la 24e journée de la Première Ligue anglaise. Avec Leicester qui va jouer contre West Ham, match prévu à 19h30 GMT. Tottenham euh, Norwich City à la même heure et puis à 20h15, Manchester United qui reçoit Burnley. En Espagne, on joue euh, la Coupe du Roi, les 16e de finale. À l'instant, l'FC Barcelone est mené par euh, un club de deuxième division, Ibiza UD, un but à 0 on rappelle que l'équipe euh, du euh, Barça donc a présenté le, club du Barça donc a présenté une équipe B euh, dans ce match. Il y a Ansu Fati et quelques cadres qui accompagnent des jeunes joueurs donc qui défendent des couleurs du Barça aujourd'hui. A noter qu'un peu plus tard le Real Madrid se déplace à Union Nistas. C'est un club également de division inférieure. Le match est prévu Barthélémy à, 20h. Mm. De l'autre côté en France, le stade de Reims va affronter à 20h le Paris Saint-Germain. Euh, seconde demi-finale de la Coupe de la Ligue française, euh, le vainqueur va affronter en finale euh, l'équipe de l'Olympique lyonnais, lyonnais donc, qui ont éliminé hier Lille et puis la Juve qui va affronter également la Roma en quart de finale de la Coupe d'Italie. Le match est prévu à 19h45, Barthélémy. Merci beaucoup, Youssouf Bouyan. 18h22, et on nous maintenant avec notre correspondant à Laminba. Bienvenue. Après six semaines de campagne de commercialisation de l'arachide, la Sonacos Ziguinchor est presque sûre de ne pas atteindre les objectifs de collecte de 45 000 tonnes qu'elle s'est fixée cette année, nonobstant l'espoir suscité par le réajustement effectué par l'entreprise et relatif à la revue à la hausse du prix du kilogramme. À la mi-janvier, l'usine de Ziguinchor n'a pu collecter que 3 000 tonnes. Samba Badji est le secrétaire général des travailleurs de la Sonacos Ziguinchor. En termes de chiffres précis, je sais que euh, ça, va être difficile de le dire, mais on est à un peu plus de 3 000 tonnes. quel est l'objectif que vous vous êtes fixé cette année L'objectif euh, qu'on s'était fixé au, au début de la campagne était de 45 000 tonnes. Euh, avec une cadence de réception qui tourne autour de voilà, 200 tonnes, 250 tonnes jour. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment que tout va bien ou qu'il y a quelque chose à corriger avant que la campagne euh, euh, s'achève s'achève Cela cause aujourd'hui, rien qu'à Ziguinchon, on est un peu moins de, 500 personnes qui comptent sur le fonctionnement de l'usine, sur, l'approvisionnement en graines d'arachide pour bénéficier des salaires et, respecter des engagements. Nous avons recruté énormément de jeunes, beaucoup de jeunes, qui croient maintenant au travail, qui croient maintenant au travail de la Sonacos. Nous demandons de faire en sorte que ces emplois soient maintenus par le fonctionnement de l'usine, par l'approvisionnement correct des usines. La Sonacos nourrit un brin d'espoir avec le réajustement du prix au kilogramme, mais à ce jour, trois quarts des productions d'arachides sont entre les mains des opérateurs chinois et autres commerçants privés impliqués dans la campagne de commercialisation de l'arachide. Les producteurs trouvent leur compte avec ces nouveaux partenaires commerciaux commerciaux. Mamoudou Kandé, producteur d'arachides à grande surface dans la région de Kolda. Il y a eu un, départ avec 225. Euh, Aujourd'hui, nous sommes à 300 francs euh, le kilo. Donc, nos producteurs sénégalais, nous sommes vraiment satisfaits parce que le plus offrant que nous Nous sommes à 300 francs le kilo. Donc, euh, <laughs> le plus offrant, nous, nous, avec ce monsieur. Et, nous sommes vraiment contents parce que nous avons un, un prix planché à 300 francs. Donc là, vous avez vendu toutes les pollutions On n'a pas vendu, mais <laughs> les trois cartes sont partis. Les trois cartes de la production sont partis. Rien que le 6, décembre, quand nous étions euh, partis à Ziguinchon, nous avons rencontré euh, le personnel de la SONADOR le directeur de l'usine et le directeur de la M. Gay. On les a fait comprendre que s'ils se cantonnent à 210 francs, les usines risquent non pas d'avoir de, de, de, <laughs> Alors, ils n'ont pas voulu. Mais c'est quand ils ont vu et ils ont reconnu effectivement, c'est ça. Ils, ont, ils sont venus eux-mêmes. Ils se compte qu'il y en a qui achètent à 280. Au départ, il n'y avait pas de camion, c'est parce qu'ils étaient arrivés à 210. Mais quand ils ont compris. Avec la concurrence des Chinois et des Barabas, ils sont placés à 280. Aujourd'hui, rien qu'à Bignarabé, le à Les opérateurs privés stockeurs laissés en rade dans cette présente campagne n'ont presque rien collecté. Ils craignent pour la survie de leur activité. Hassan Bay, secrétaire général national adjoint de la FENOPST, c'est la Fédération nationale des opérateurs privés stockeurs et transporteurs du Sénégal. Campagne la campagne se déroule très mal cette année. Nous n'avons jamais vécu cela. Nous prédisons même une rupture des semences si l'on ne prend garde. Seulement, nous sommes d'avis que l'État est l'unique responsable de cette situation. Il est le seul artisan de la faible collecte réalisée par les huiliers pour le compte de cette présente campagne. Nous, on aurait suggéré à ce que le prix fixé pour la cession aux producteurs soit le même aussi bien pour les opérateurs étrangers que les huiliers. Mais ce n'est pas le cas. Et je vous assure que si les usines ne marchent pas, on dirige directement vers des pertes d'emplois énormes. Ça que les autorités se le tiennent pour dit. Euh, même les transporteurs euh, n'y trouvent pas leur compte du fait de la chérité des prix de la traversée au niveau du pont de Gambie. Ils y déboursent 65 000 francs à 70 000. 65 000 La solution selon les huiliers passe par une maîtrise des exportations via une répartition des stocks entre l'exportation et l'exploitation industrielle intérieure. Samba Badji, secrétaire général des travailleurs de la Sonacos Siginshore. L'État doit avoir la maîtrise de cette activité-là. Quand il n'y a pas suffisamment de graines et qu'il y a de l'exportation en cours, l'État doit faire la mesure de toutes les parts. Combien est-ce qu'il faut exporter et combien est-ce qu'il faut donner aux huiliers Les huiliers ont déterminé ont déterminé leurs besoins. Mais les gens sont en train d'exporter à outrance comme si les grains sont infinissables. C'est pas possible. Ainsi s'achève ce magazine. À mercredi prochain pour notre numéro. Lamine Ba, merci. À mercredi prochain pour notre numéro de Yonotol. Euh, à 22h à, pas 22h mais 18h et 27 minutes l'heure du débrief. Nous sommes avec Ibrahim Bahoum. Monsieur Bahoum, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste et formateur avec euh, vous. Nous évoquons la question des commissions de discipline au sein des formations politiques à la lumière de l'affaire Mustapha Diakhaté. Euh, Mustapha donc, qui a été exclu hier par la commission de discipline euh, de l'Alliance pour la République. Une euh, exclusion qui, aujourd'hui, fait couler beaucoup d'encre et de salive. Comment, personnellement, vous avez apprécié tout, cela, tout cela, cette procédure qui a mené à l'exclusion de Mustapha Diakhaté alors qu'il n'a pas été auditionné au préalable Bon, je pense que j'ai lu euh, l'interview que le parti, la paire a faite aujourd'hui dans, dans l'Obs, où on dit qu'il y a tellement d'actes qui avaient été posés depuis quelque temps par Mustafa Diarté, hmm. qu'à la limite, pour eux, c'était même plus nécessaire quoi, de, passer par l'État, parce que selon eux, quand la personne euh, fait et refait, refait, récidive, etc. Hum. Bon, euh, à la limite, il se disait que c'est plus la peine. Quoi. peut-être voulait-il dire euh, quand vous-même vous êtes exposé, vous vous êtes exposé comme ça sur la public publique de cette manière, il n'y a plus raison de chercher à des preuves. Hum. On dit, comment est-ce qu'on appelle ça encore La et la mère des preuves. Ça, c'est leur logique à eux, je suis en train de dire. Hum. Maintenant, est-ce que Mustafa Diakhaté avait le droit de dire ce qu'il disait ou pas Ça, c'est l'autre chose. Hum. Je viens de donner la position du parti tel que je l'ai lue, hum. mais voici ce qu'il y a. Mustafa depuis quelque temps, disait toujours aux gens, là où nous sommes en train d'aller, ça n'est pas la bonne direction. Hum. La question maintenant, c'est de savoir la, manière dont il a exprimé cette, cette opinion. Et ensuite, avait-il le droit de l'exprimer publiquement ou avait-il seulement le droit de l'exprimer vous savez, le problème que nous avons dans les partis ici au Sénégal en général, dans nos partis, c'est que euh, il n'y a en fait, c'est des partis qui ont été créés généralement par une personne, et cette personne devient presque propriétaire de ce parti-là. C'était valable pour le PDS, ça allait avec la paire, ça allait avec d'autres moyens visibles parce qu'ils ne sont pas au pouvoir, parce qu'ils ne, sont pas la représentativité qu'il y a. Mais généralement, Regardez d'ailleurs ce que Donc, dans le fond, il n'y a pas de démocratie, pas de liberté d'expression je, ne sache pas qu'il y en ait véritablement. C'est pour une raison bien simple. Ah. Quand je dis, euh, je crois que d'abord, après que le PS a expérimenté ça, on n'a plus entendu véritablement d'école du parti. Hum. Euh, l'école du parti, vous savez, bon, je vais encore remonter à beaucoup plus loin. Du temps de Senghor, par exemple, tu entendais parler des, débats, conseil, euh, le Club national et développement, des, moments de contradiction, même si ça n'arrivait pas au pouvoir, mais au, moins il y avait des échanges politiques, intellectuels, etc. Donc, les gens du PS étaient obligés de se former, de lire pour pouvoir soutenir, euh, pour pouvoir faire face à des gens qui, sont extrêmes, qui étaient extrêmement débatteurs, très pointus dans les analyses, etc. Donc le PS, était obligé d'avoir ça. Mhm. Puis on continue, on arrive à une sorte de massification des partis, parce que les partis étaient devenus plutôt électoralistes. Tant que le PS était assuré d'être seul et tout, il n'y avait pas de problème. Mhm. Maintenant, quand ils avaient commencé à douter à, ah, que peut-être il y a un PDS qui commençait à monter, etc., évidemment, ils ont commencé à se massifier d'une certaine manière, et cette massification dont le PDS a hérité du point de vue de la, démarche, mhm. a fait qu'au PDS également, ça a continué. séduit Abdoulaye Wad, pur et dur, terminé. Si vous n'êtes pas d'accord avec Wad, vous n'avez rien à faire ici. Mhm. Et il n'y a pas encore possibilité de débattre. Le PDS a peut-être gardé un peu à un moment donné de, sorte d'espoir de, euh, hérité de ce qu'on appelle l'école du parti, avec les, différents journaux qu'ils avaient, surtout le démocrate, ensuite Sopi, et mhm. puis ça a changé. Alors les autres partis sont venus sur ce même truc. Et progressivement, au fur et à mesure que nous avancions, nous nous trouvions avec des partis qui étaient plutôt des partis électoralistes, mais également ce que j'appelle moi les nouveaux, les nouveaux euh, entrepreneurs. C'est quoi ces nouveaux entrepreneurs C'est des gens qui se disent que maintenant, tout se trouve en politique, mhm. nous allons créer nos partis, on va y aller. donc, pour vous, au niveau des formations politiques, il n'y a pas d'espace euh, qui, en tout cas, permette, euh, d'espace qui pourrait permettre aux militants de s'exprimer parce que moi, je, parfois, je dis, est-ce qu'il y a des militants ou est-ce qu'il y a des accompagnateurs Parce que le militant, ça me renvoie à ce que je disais tantôt, c'est euh, quelqu'un qui vient avec... Parce qu'il y a une adhésion, non pas à une personne, non pas au programme d'une personne en disant que cette personne pourrait venir au pouvoir, donc je vais l'accompagner, mais c'est des gens qui avaient une sorte de, convergence d'idées, de convergence de pensées, de, de pensée, et cela pouvait se retrouver à discuter, à être en contradiction entre effectivement, et chaque fois à dépasser ça, hmm. c'était plus des débats d'intellectuels. Alors, ce qui se passe maintenant, est-ce que les partis ont cette possibilité-là Je crois que de moins en moins, ils l'ont. Parce que si, effectivement, il y a plus d'accompagnateurs de, de quelqu'un que de militants d'un parti, évidemment, l'accompagnateur, il est là. Il écoute, il se Alors, quand il est servi, ça marche. Quand il espère, ça marche. Quand il s'est desservi, quand il, s'est dit que bon, écoute, ça, ne marche plus, mhm. il commence à sortir. Et dès qu'il sort, les autres qui sont aussi accompagnateurs que lui disent ben, très bien, de la façon, il n'est pas question que notre compagnonnage avec l'autre soit gâché, surtout quand cet autre-là est au pouvoir. Donc le parti au pouvoir, il a encore cette possibilité-là de dire voici comment nous devons fonctionner. Mhm. Et c'est celui qui le décide, c'est le chef du parti c'est lui-même et lui, tout seul. C'est l'alpha et l'oméga, l'alpha et l'oméga du et, et, pourtant, et pourtant, et pourtant, Monsieur juste une dernière question. Il est dit dans les statuts de la paire, et là je cite les sanctions prévues par l'article 21. Il y a d'abord l'avertissement, il y a le blâme, la suspension de 4 à 6 mois, l'exclusion temporaire de 6 à 1 an maximum, l'exclusion définitive. Et là, on saute euh, oui, toutes ces étapes-là pour euh, euh, définitivement exclure un militant. Est-ce que ça aussi, ce c'est pas une violation des textes C'est dans le journal de votre groupe que j'ai lu aujourd'hui hmm. que la décision serait venue du président Macky lui-même de Londres. C'est lui qui aurait quasiment acté l'exclusion. Mhm. À ce moment-là, les gens sont désarmés, comme on dit, et il y a des moments où effectivement... Oui, parce, euh, que, parce que je pense plus loin, l'article précise qu'en cas d'urgence, et sous ah ben, réserve d'en informer le Conseil national, le président ah. peut prononcer à l'encontre d'un militant toute mesure relevant de la grille des sanctions ci-dessus énumérées. Alors, donc, le relevant de la grille, et bon, toute mesure relevant, ça veut dire de la première, du premier avertissement jusqu'à l'exclusion jusqu'à totale. C'est ça la grille. Mhm. la grille. Alors, il a pris euh, le, sommet de la grille pour dire, bon, c'est très bien, j'ai la possibilité de passer du premier escalier, du premier palier jusqu'au neuvième, mais maintenant, je vais carrément au neuvième palier, je, saute tout. C'est un, euh, il prend l'hélicoptère, il descend, il dit, bon, voilà, action décidée. Et à ce moment-là, c'est pas les autres qui décident généralement. Ils ont euh, mission de faire parce qu'on leur a dit faites. C'est comme ça que ça se passe. C'est pas la démocratie, mais c'est comme ça que ça se passe comme ça, ça se passe. Merci beaucoup. Merci, euh, Monsieur Bahoum.